Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir. Euh, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème du festival Prix d'Angourmou au Niger, quelle innovation pour quel défi Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Hamid, a présidé le 24 octobre 2022 la cérémonie de clôture de la 11e édition du festival Prix d'Angourmou à Tawa. Ce concours national de musique moderne nigérienne avait pour objectif de susciter la créativité et promouvoir une identité musicale nigérienne et satisfaire la demande des mélomanes de plus en plus exigeants. Le ministre a aussi rappelé la joie manifestée par les artistes, l'engouement du public en passant par l'adhésion des autorités régionales et locales et la parfaite collaboration entre les acteurs. Il a également relevé l'enthousiasme des artistes des toutes les régions à participer au concours, nous rapporte l'ANP, l'agence nigérienne de presse. créée en 1986, le prix d'Angourmou avait fait ressortir un palmarès élogieux. Au fil des éditions, il s'est affirmé comme l'une des plus grandes manifestations susceptibles de rallier à la fois le goût d'un public avisé et exigeant aux préoccupations majeures des autorités et des artistes pour l'affirmation d'une musique moderne nigérienne s'inspirant du riche patrimoine culturel nigérien. Pour parler de cette rencontre musicale, je le plaisante de recevoir Ayama Aboubakar Yakouba Maïga, chef de division festival et événements culturels au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ayama Aboubakar Yakouba Maïga, bonsoir. Bonsoir. Oumarou Issoufou, alias Feno, président de l'Association des artistes, compositeurs et interprètes de métiers de musique, Anassim. Oumarou Issoufou, alias Feno, bonsoir. Bonsoir et merci. Avec nous également l'artiste Adamou Yakouba, alias Black Miller, secrétaire général du syndicat national des métiers de la musique Black Miller. Adamou Yakouba, bonsoir. Au plaisir, bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Ayama Aboubakar Yakouba Maïga. Après plusieurs années de léthargie, le prix d'Angourmou renaît enfin euh, de ses cendres. Il s'est déroulé à Tawa euh, du 29 au 25 octobre 2022. Que peut-on savoir au sujet de la musique moderne euh, nigérienne Mokhtar, bonsoir. Je vais d'abord commencer par remercier le studio Karangu qui nous a donné l'opportunité de venir expliquer à l'opinion nationale et internationale les enjeux de la reprise du prix et des innovations qu'on a apportées à ce festival, comme vous voulez le dire, que nous nous appelons le concours national de musique moderne nigérienne. La musique moderne nigérienne, euh, on peut dire qu'elle va bien et mieux que quand même elle est sur la route des grandes musiques de la sous-région. Aujourd'hui, vu le nombre d'orchestres ou des artistes qui ont chanté sur des plateaux, sur des podiums des festivals à l'international, qui ont connu des tournées à l'international et des studios, quitte même s'ils n'en envoient pas très professionnels, mais du nombre de studios créés à Niamey et à l'intérieur du pays pour satisfaire l'enregistrement des artistes. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enregistrements qui n'ont pas été faits, qui avant ne se faisaient que dans des studios des radios ou à l'étranger ou à l'étranger et des clips qui sont réalisés par des professionnels qui ne sont pas des médias comme des télévisions. Donc euh, la reprise depuis prix est l'opportunité aujourd'hui d'enrichir cette dynamique-là et vraiment de porter encore plus loin que là où la musique nigérienne est aujourd'hui, de l'amener sur le chiqui international, comme toutes les autres musiques de la sous-région. Ayama Aboubakar Yakoubomega, le prix d'Angourmou est un concours, vous l'avez dit, euh, de chansons modernes et traditionnelles euh, nigériennes. Vous venez là aussi de dire que la musique nigérienne se porte euh, bien. Où se situe cette musique moderne nigérienne dans le concert de la musique des autres pays de la sous-région Vous savez, si on peut le dire sans se tromper, on a quand même des artistes qui ont beaucoup de carnets d'adresses et qui ont des entrées à l'extérieur. Je crois que nos camarades ici présents seraient mieux placés que nous pour le dire, tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons beaucoup de sollicitations au niveau du ministère, des artistes qui vont à des festivals au niveau international. Et s'ils ils sont invités, c'est qu'ils sont connus. Et ils sont régulièrement invités. Il y en a beaucoup qui passent par nous il y en a beaucoup qui ne passent même pas par le ministère. On les entend juste partir à l'extérieur ou on les voit à, travers euh, les télévisions à l'international. Maintenant, où se trouve la musique moderne nigérienne. Ça, c'est une balance. Souvent, ça dépend du contrepoids qu'on lui pose. Et il y a quelques années, c'est-à-dire que l'étiquette d'un musicien, c'est le nombre de disques qu'il a produit. mais avant, quand même, les Nigériens écoutaient la musique, les, musiques des artistes nigériens, tels que les Sadoubouri. Ah, aujourd'hui encore, les Nigériens écoutent la musique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on ne peut pas quantifier. C'est-à-dire que c'est les euh, canaux d'écoute ah. qui sont très diversifiés. Aujourd'hui, par exemple, certes, vous allez me dire que euh, les, WhatsApp, chose bon, c'est, c'est pas professionnel, mais quand quelqu'un est écouté dans, sur toutes les, les plateformes de télévision, de, de, de téléphone, comme c'est quelque chose. Certes, euh, ah. maintenant, les gammes de recouvrement de ces droits c'est autre chose, mais je dis que aujourd'hui, c'est les moyens de contrôle qui ne sont plus les mêmes. Avant, vous produisez, vous faites un disque, c'est vendu à 1 million, 2 millions, 3 millions, on peut le quantifier. Vous faites des cassettes, c'est produit à des centaines, on peut le produire, on euh, peut le quantifier. Vous faites des CD. Mais aujourd'hui, ça a tellement changé que vous pouvez apprécier un artiste ou par les voyages qu'il fait, ou par les concerts qu'il donne, ou par les écoutes, mais il y a beaucoup de canons que on n'a pas la maîtrise exacte du niveau de, de l'artiste. Mais je crois que ça pourrait être complété par nos amis, mais je dis qu'encore, la musique moderne se porte bien pour moi. Ayama Aboubakar Mega, quels sont les défis du Niger pour la promotion de la musique au Niger Ah oui, c'est ça la question. Le défi ils ne sont pas nombreux, mais ils sont, je vais dire, quand même importants. Le premier défi, c'est de ramener les artistes au niveau des artistes internationaux. C'est une des démarches de l'innovation du prix d'Angoulême que nous nous tenterons de faire dans les, dans les années à venir. Donc c'est le prix c'est une réponse à cette préoccupation. C'est une réponse à cette préoccupation, c'est d'amener le prix d'Angoulême à un niveau international où ce n'est plus un prix d'un national, mais c'est un prix d'un et national et international qui va permettre, sans sortir, à des artistes au Niger d'avoir des entrées à l'extérieur. Parce que, à travers le prix d'un on va faire euh, venir beaucoup euh, d'autres producteurs, euh, réalisateurs, etc., pour identifier des talents qu'il peut faire, dont il peut faire la promotion à l'extérieur. Oui, mais est-ce que la politique euh, du gouvernement nigérien, euh, dans le cadre de la promotion de la culture, a pris en compte toutes ces préoccupations-là Mais vous avez entendu le, discours de culture du ministre. C'est parti dans ce sens. Et aujourd'hui, le prix groupe, c'est une organisation, si on peut dire, ou tripartite ou quadripartite, parce qu'il y a le ministère, il y a l'organisation ou les organisations de métiers de la musique. Il y a la région de Tawa. Chacun va jouer un rôle. Pour l'OMA, c'est une relance, mais sous peu, chacun va jouer un rôle. Et selon le rôle que chacun va jouer, vous allez voir une diversification des partenaires, que ce soit au niveau des sous-régions, que ce soit au niveau des organisations internationales bilatérales, multilatérales, que ce soit euh, au niveau des organisations syndicales euh, telles que la SANSEM, telles que les autres organisations ou producteurs, que euh, on a donné, comment vous l'avez au Mali, on a bien d'autres organisations qu'on peut venir euh, faire venir pour faire la promotion de la musique moderne nigérienne. Merci beaucoup, Ayama Aboubakar Yacoub Je rappelle que vous êtes le chef de division festival et événement culturels au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le temps de donner la parole à Oumarou Issoufou, président de l'ANASIM. Oumarou Issoufou, alias Feno, comment se porte aujourd'hui la musique nigérienne <laughs> euh, Bonjour et merci pour l'opportunité offerte. Peut-être que je vais abonder un peu dans sur la même voie que M. Ayama, euh, tout en restant aussi différent en tant qu'acteur. Euh, je dirais aussi que la musique nigérienne se porte bien, euh, parce qu'il y a toujours des gens qui, qui la consomment, il y a des gens qui, qui l'exercent aussi. Donc, en somme, on peut dire que la musique nigérienne se porte bien. Mais maintenant, là où il faut peut-être amener le débat, c'est si la musique nigérienne pour nous se porte bien, quelles sont peut-être les perspectives, qu'est-ce qu'on pense pour améliorer cette musique Et là, je, ne vais pas attendre peut-être euh, que les politiques ou, euh, je sais pas, le ministère ou nous en tant qu'association, qu'on essaie euh, de raconter ce qui plaît aux gens, mais je préfère dire peut-être ça, ça, ça doit venir par exemple des acteurs. Il faudrait que les acteurs se regardent il faudrait que les acteurs regardent aussi ce qui se passe ailleurs. La musique est une école. Si tu tu, tu vas en classe de CI, tu ne peux pas avoir des diplômes de l'université quand tu ne fais pas les étapes. Donc la musique aussi, c'est ah, dans ce sens. C'est gradué. Oui, c'est la musique aussi, c'est dans ce sens. C'est une école, il faut l'apprendre. Si tu ne l'apprends pas, tu ne peux pas être sur le même terrain que ceux qui l'ont appris. Tu vois. Donc moi, dans ce sens, je veux dire, euh, peut-être c'est aux acteurs de se regarder et de voir si ils peuvent réellement donner ce niveau. Oui, mais, est-ce que les acteurs ou bien les artistes n'ont pas relâché parce que avant quand même il y avait. C'est ça je parle. Ah. C'est de ça je parle. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire en fait. C'est-à-dire euh, de ce côté on a fait relance du prix d'Angoumou. Il y a eu des efforts du côté du ministère, du côté de la région, du côté des associations, mais maintenant si on veut que ça soit pérennisé, euh, jusqu'à jusqu'à rêver d'inviter d'autres personnes pour encore donner plus de niveau à ça, c'est de voir aussi côté des acteurs qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à avant. Est-ce que ceux qui ont commencé cette musique moderne avant travaillaient mieux que nous aujourd'hui ou aujourd'hui on peut s'investir plus que Le débat doit être là-bas et si les artistes peuvent se regarder et réfléchir sincèrement et tirer des bonnes leçons adapter pour apporter des solutions à ce qu'ils sont en train de faire, moi je pense que ce serait vraiment intéressant. C'est ce qui va être intéressant dans ça. Oumarou Issoufou, quels sont les principaux obstacles en matière de la promotion de la musique nigérienne Les obstacles, moi je me dis que c'est nous-mêmes. Comment euh, ça C'est nous-mêmes, quand je dis nous, c'est pas nous artistes, mais c'est la communauté en général à dire nous sommes dans une communauté, euh, dans une société où la société est appelée à, à s'aimer. Parce que quand tu n'aimes pas ta culture, ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Oui, mais est-ce que c'est la société qui n'aime pas sa culture Non, non, non, non. Exactement. Bon, dans ça, euh, en termes de culture, quel qu'en soit ce que tu fais, quel soit ce que tu fais, euh, tu as quelqu'un pour te consommer. Mais maintenant, quand je dis c'est la société, tu vois, par exemple, tout à l'heure, il a parlé des, des canaux de diffusion des œuvres artistiques. Tout à ah. l'heure, il y a les médias, il y a les télés. Ce que je voulais dire, c'est que nos œuvres ne sont pas diffusées convenablement. Correctement. Voilà, convenablement pour vraiment. Euh, par, les canaux appropriés. Comme avant. Tu vois, avant, dès que un artiste fait quelque même nous quand on était arrivé, dès qu'un artiste fait une production, tout de suite tu vas à Télé Sahel ou à la Voix du Sahel, tout de suite. En une minute, ton œuvre est diffusée. En une minute, tout le monde sait que tu as fait quelque chose. Mais aujourd'hui, on a plus de 15 radios. On a, non, plus de 20 ou bien plus de 30 même radios. On a plus de 15 télévisions. Tu ne sais même pas où commencer. Donc, s'il n'y a pas une certaine politique pour organiser la, diffusion des œuvres artistiques locales, on va toujours rester dans cette léthargie pour dire qu'on est mal aimé ou qu'on est méconnu. Tu vois, quelque part, c'est vraiment, je me dis, c'est là où il faut peut-être euh, poser la question au, euh, au gouvernant de voir comment imposer, comment pas imposer, mais comment discuter avec ces médias pour que ces médias apportent encore, parce que les médias en font, mais on veut encore plus. Comment faire pour que ces médias arrivent à diffuser au moins 90 ou 80% des diffusions, soit des œuvres euh, nigériennes parce que quand tu sors aujourd'hui, tu ne vois pas, euh, je viens de Dakar, euh, dès que je suis allé, je suis rentré dans une la voiture qui m'a pris à l'aéroport avant d'aller en ville, je n'ai pas entendu une œuvre du Burkina, je n'ai pas entendu une œuvre du Niger. Peut-être que j'ai entendu une œuvre guinéenne et, quoi. Et voilà, Guinée, Sénégal, c'est presque aussi les mêmes cultures, tu vois. Donc, il faudrait que chez nous, que les médias acceptent cela et quelque part, ça va nous mettre and, euh, ça va nous euh, mettre en compétition avec nous-mêmes parce que tant que c'est comme ça, on sera obligé de faire des œuvres consommables, des œuvres compétitives. Oumarou Issoufou, parlons du prix d'Angrumu. Au total, neuf prix ont officiellement été décernés et plusieurs autres prix euh, spéciaux ont été attribués aux meilleurs orchestres, groupes musicaux et solistes. Qu'est-ce qui vous a profondément marqué à l'occasion de cette 11e édition du prix d'Angromou <laughs> bon, moi je dirais que tout m'a marqué, hein, parce que pour moi, c'est le signe est beaucoup plus fort que tout ça. Euh, j'étais gosse, j'avais peut-être 11, 12, 13 ans, quand je voyais les Alajitaya sur la scène, les poussis, les John Sofakole. Et aujourd'hui, peut-être 30 euh, ans après, je me retrouve être devant tout ça. Tu vois, il y a, y a rien de plus marquant. Pour moi, il y a rien de plus marquant parce que on était gosses, on ne savait même pas ce qu'on voyait, tu vois. On regardait juste la télé, on aimait et tout et tout. Et aujourd'hui, on se retrouve devant. D'abord, moi, ce qui m'a marqué, c'est d'abord ça, parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir des signes peut-être que j'avais vus dans mon enfance que je ne comprenais pas. Et aujourd'hui, je me retrouve là. Maintenant, par rapport à, à l'événement même en tant que tel, euh, c'est l'amour et l'implication de tous qui m'a marqué, surtout dans la région de, de Tawa, euh, jusqu'au ministère et les artistes qui, euh, qui étaient vraiment avec une certaine passion et, quand tu les demandes même les artistes ils te disent ah vraiment cette fois-ci euh, c'est différent on est on est considéré on, on est bien logé on est bien nourri tout vient à temps ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que l'organisation dans laquelle nous sommes, les artistes ne se plaignent pas. Ça, c'est quelque chose euh, euh, de gaieté. C'est quelque chose euh, qui m'a beaucoup fait plaisir. Donc, en somme, moi, je peux te dire que tout m'a marqué. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je lis mon adolescence à l'événement. C'est le fait le plus marquant pour moi. Omaru Issoufou euh, Feno, euh, le bureau nigérien du droit d'auteur BNDA est chargé de protéger et de défendre les intérêts euh, patrimoniaux et moraux de ses membres au Niger et à l'étranger. Quels sont vos rapports avec le BNDA <laughs> Bon, normalement, c'est une question que je trouve même bizarre, si tu veux, parce que je me dis que le BNDA, c'est pour nous, le BNDA, c'est notre banque. Donc euh, le BNDA doit. C'est-à-dire le BNDA, c'est votre banque. Oui, c'est notre boîte économique si tu veux, parce que euh, <laughs> c'est le <laughs> BNDA qui normalement doit lutter pour faire des salaires aux artistes. Donc c'est pas normal qu'on arrive à penser même que quelque chose euh, doit se passer de mal ou de mauvais entre le BNDA et les artistes. sinon personnellement, le BNDA et moi, il n'y a pas longtemps, on m'a on m'a désigné au BNDA comme l'ambassadeur du BNDA en termes de la, de la copie privée, où je disais même tout à l'heure, j'étais au Sénégal. Donc cela veut dire que les, avec vous, les rapports sont cordiaux euh, bon, je dirais pas, je dirais pas. C'est pas parce que moi, pour moi, en fait, je travaille pour ma communauté, la société, la communauté des artistes. C'est beaucoup plus leur intérêt que je vois pour m'engager dans les choses. Et c'est pas parce que je m'engage dans ça aussi que je suis euh, obligatoirement ou forcément d'accord avec eux. Non, pour moi, quand je suis dans ça, c'est parce que j'essaie d'avoir une certaine vision par rapport à moi, par rapport aux autres par rapport à toute la communauté artistique, comment faire pour que euh, cette question cette question que les gens se posent ou que les gens nous posent, est-ce que l'artiste vit de son art Comment faire pour que ça soit ou bien pour que ça s'entame Parce que c'est possible. C'est possible que l'artiste euh, puisse subvenir à ses besoins par rapport à son art. Mais c'est juste la façon dont les choses sont structurées ici, la façon dont nous-mêmes artistes, nous, nous, nous-mêmes artistes, nous faisons le travail ou façon nous euh, vendons nos travail ou façon nous collaborons avec les autres qui fait que on n'arrive pas à subvenir, euh, la musique n'arrive pas à nous nourrir. C'est pas quelqu'un, c'est nous. Parce que de, de l'autre côté, quand tu vas au Sénégal, aujourd'hui, le bureau nigérien de droit d'auteur sénégalais, avant c'était le BSDA. Aujourd'hui, ce n'est plus le BSDA, aujourd'hui, c'est le CODAV, euh, SODAV, pardon, qui est une société privée, purement privée. Ce n'est plus un bureau. Parce qui gère les artistes. Qui gère les artistes. Et c'est des artistes eux-mêmes qui gèrent leurs trucs. Tu vois, parce que quand c'est un bureau, c'est l'État. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Partout ailleurs, ce n'est plus ça. Et, ça marche. ça marche c'est des modèles. C'est-à-dire, quand je suis allé là-bas, c'est des cas qu'on nous a pris, c'est des modèles. Quand tu vas au, Sénégal, quand tu vas à Malawi, quand tu vas même ici au Burkina, au Burkina, ça marche. J'ai discuté avec eux. J'ai discuté avec le bureau le bureau ivoirien, avec le bureau burkinabé, avec quelques bureaux, où euh, je dis, ben, écoutez, vous, chez vous, c'est quoi le plus grand chiffre qu'un artiste puisse toucher pour ses droits On euh, m'a dit, bon, euh, on a donné un nom, on dit, bon, 8 millions, j'ai dit quoi Il dit 8 millions. Alors que nous, ici, on a entre 15-16 millions pour tout le monde. Et à côté, un artiste gagne 8 millions pour les droits d'auteur. Et ici, au Niger, un artiste peut prendre 1250, 2250. Tu vois un peu Donc, si les gens s'organisent, quelque part, ce n'est pas parce qu'on a un bureau que le bureau doit faire obligatoirement le travail. Il faudrait que nous-mêmes, on soit conscients de ce qu'on a donné à ce bureau. Si on n'assiste pas, si on n'aide pas, si on n'accompagne pas le bureau à nous aider à être dans nos droits, on ne va jamais être dans nos droits. On va juste faire de la musique pour un truc de passe-temps. Tu vas faire 5 ans, 10 ans, ça ne va pas, tu vas vouloir changer. Tu ne peux pas mettre ta vie dans quelque chose sur 10 ans et demain tu vas penser à faire autre chose parce que tu as raté ici. Non, quand tu commences, tu dois réussir dedans. Pour moi, quand tu commences, tu dois réussir. Maintenant, c'est juste euh, au niveau des artistes, moi que j'insiste, hein, j'insiste parce que le majeur problème de notre développement, c'est nous. Merci beaucoup, Oumarou Issoufou, alias Feno. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des artistes, compositeurs et interprètes de métiers de musique Anassim. Adamou Yakuba, secrétaire général du syndicat national des métiers de la musique. Adamou Yakuba, alias Black quelle est la situation des artistes, euh, compositeurs et interprètes des métiers de la musique euh, au Niger Bon, écoutez, moi quand j'ai fait généralement mes analyses, euh, j'ai fait un petit effort intellectuel pour surpasser la dimension de la subjectivité et pour tendre un peu vers l'objectivité. Très honnêtement, euh, je pense bien que les autres l'ont dit, euh, se porte. je ne dirais pas bien, mais elle se porte euh, de façon fiévreuse. Fiévreuse, euh, c'est-à-dire Ça veut dire, que, ça, que ça ne va pas Non, ça va, mais elle est un peu malade. Elle est un peu malade du fait de plusieurs facteurs. Vous savez, moi, j'ai toujours dit que quand tu fais une analyse, il faut étudier les facteurs pour savoir quels sont les facteurs favorisants et quels sont surtout les facteurs défavorisants et faire le lien lequel et supplante l'autre. Malheureusement, parce que euh, ce que Ayama a dit, ce que mon président Fénon a dit, c'est vraiment c'est une minorité parmi nous, n'est-ce pas donc, qui arrive. Il n'y a, pas de bourgeois parmi vous. C'est ça, j'ai dit, c'est une minorité qui arrive à voyager, c'est une minorité qui arrive à lever la tête au-dessus euh, de la mare. Donc, de ce point de vue, euh, d'un point de vue analytique, on ne peut pas dire que ça va. C'est pourquoi il dit fiévreuse. Mais s'il il y a une balance par exemple, il y a des statistiques qui montrent que, par exemple, 30 ou 40 des artistes vivent, comme le dit le président, de leur art. Là, ça devient vraiment du showbiz, comme on le dit. Ça devient de l'entrepreneuriat. De ce point de vue, objectivement, on peut dire que ça va. C'est pourquoi je ne peux pas me permettre de dire que non, ça ne va pas. Ça va, mais elle est fiévreuse quand quelqu'un a le palier, on ne peut pas dire qu'il n'est pas un être humain. <laughs> Adam Yacouba, depuis quand euh, vous êtes dans la musique Je suis dans la musique, ça fait aujourd'hui 23 ans. Donc j'ai commencé en 96 en classe de terminale, mais véritablement j'ai commencé en 97 à l'université avec les camarades du campus. Donc euh, l'évolution de la musique nigérienne euh, par rapport de sa de son stade, dire, je ne peux pas dire embryonnaire, mais folklorique pour tendre vers les showbiz avec eux parce que <laughs> nous les études ont fait qu'on était un peu en marche, mais euh, ça a permis de un peu, il y de moderniser les choses et tendre vers, n'est-ce pas, donc, quelque chose d'un peu universel vers les autres nations. Mais j'ai toujours dit dans mes analyses, il ne faut pas encore se tromper. Parce que lorsqu'on dit que la musique nigérienne n'est pas connue à l'extérieur, la musique nigérienne, on se trompe de beaucoup de facteurs. Par exemple, si vous prenez l'ensemble des, des, artistes nigériens, je ne pense pas qu'on fait véritablement artistes. On ne fait pas mille artistes. Or, moi, tous les pays que j'ai fait, si vous prenez Bamako, par exemple, Mali seulement, je crois bien que ça peut faire un quartier de gamins d'artistes. Je peux me tromper. <laughs> vous voyez Donc, c'est dans tout ce monde-là qui fait un quartier qu'on a peut-être euh, une euh, cinquantaine ou une centaine qui anime les showbiz. Or, si on prend l'échantillonnage du Niger, ça veut dire qu'il y a un effort qui a été fait. Ça, il ne faut pas se tromper de cette analyse et de ces facteurs-là. Maintenant, l'autre l'autre facteur le plus important, moi, c'est, je mets l'accent toujours sur l'environnement social. Parce que c'est là-bas où on a des sérieux problèmes c'est comme on le dit en matière d'économie où l'environnement il est favorable ou il est défavorable. Maintenant, par rapport à notre, je ne veux pas dire culture parce que culture c'est encore autre chose, mais par rapport à notre musique, est-ce que on a créé les conditions environnementales pas environnementales comme écologie <laughs> sociale. Oui, mais, ça, ça est-ce à dire que euh, ici, les populations, les Nigériens ne consomment pas la musique nigérienne Mais ça, c'est un fait. Il a dit tout de suite, nous, tous les pays qu'on a fait, je sais qu'on avait fait les, syndicats, on avait proposé 70% de consommation. Ça, c'est statutaire. voyez, mais aujourd'hui, si vous faites les statistiques, je ne pense pas, je ne peux me tromper, le ministère est-ce qu'on a réellement 30 à 40% de la consommation. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement au niveau de la musique. Hein. Ça, c'est malheureusement un truc qui est devenu ce que j'appelle euh, euh, euh, la défaillance de la mentalité collective. C'est-à-dire on a beaucoup plus de, de, mirotage, permettez-moi l'expression, de quelque chose qui nous vient de l'extérieur que quelque chose qui est interne. Donc, mais, comment faire pour que ça change Bon, moi, <laughs> peut-être que c'est le travail des sociologues et des psychologues, et surtout vous des médias, parce que sincèrement, si c'est que le président a dit, aujourd'hui, vous voyez, le président Fénon. Le président Fénon, un moment, nous, on était obligés en tant que structure syndicale d'écrire à certains médias au Niger pour leur dire que ce que vous faites n'est pas bon. Parce que ah. c'est des expatriés qui sont là, bon, j'assume ce que je dis, mhm. mais qui ne font que la promotion de la musique de chez eux. Mm. Et nous, acteurs culturels, ministères et autres composantes, n'est-ce pas, on laisse passer. Il y a un de leurs qui est parti ici euh, récemment, il y a 4 ou 5 à Ouaga, il a voulu faire cela, on l'a chassé. Donc, on doit veiller sur certains trucs. Aujourd'hui, avec l'influence, par exemple, je ne suis pas contre, par exemple, l'influence du, du du Nigeria. Vous voyez comment ils ont inondé notre musique. Aujourd'hui, dans les foyers, à cause des, dans des livres c'est ce que j'ai dit dans mes écrits, <laughs> même pour manger de la bonne sauce, des fois, tu n'as pas la bonne sauce avec madame parce elle est câblée sur... Mais, mais c'est normal, mm. parce que la conscience humaine s'offre à, à, Comment ça C'est une question d'offre et de demande. Je crois bien qu'il y a un travail de refonte profonde à faire. Si nous voulons que euh, notre musique soit consommée, il va falloir retravailler la conscience collective nigérienne pour qu'elle accepte, qu'elle s'accepte et qu'elle accepte les, les, produits nationaux, quel que soit le domaine c'est un travail sérieux. Ce n'est pas seulement vous, les médias, ce n'est pas seulement nous. d'abord, il y a un travail politique, un travail, n'est-ce pas, donc, euh, social, un travail des acteurs, tout, tout, tout, Moi, je ne je me tromper dans mon analyse, mais sincèrement, c'est comme ça que j'ai fait mes analyses généralement. Il faut tenir compte. Maintenant, l'autre aspect, c'est vrai, c'est qu'il dit, nous aussi, les acteurs, nous avons un travail sérieux de renforcement des capacités. Je me rappelle une année, nous avons négocié avec les, les services, un des services allemands, ZTZ. On a trouvé une formation de trois mois, je vous ai dit. Rares sont ceux qui avaient accepté de venir faire la formation. Trois mois, trois mois. Trois ils, ont, trouvé la, la, durée longue Non, mais parce que les problèmes qui se posent, par exemple, si tu prends au niveau des orchestres, la plupart des instrumentistes, la, le simple fait qu'ils maîtrisent juste la, la, euh, la, gamme pentatonique, c'est que c'est l'accompagnement mélodique, l'artiste, euh, les instrumentistes, ils trouvent que lui, il est déjà au, au summum, alors que c'est le béaba. Euh, les vocalistes, il pense que lui, parce qu'il a les micros, il peut dire ce qu'il ce que lui, bon lui semble. Il pense que lui, ça lui va. Alors que c'est toute une école, comme il a dit, l'académie est, artistique. C'est comme les, conservatoire, conservatoires, c'est comme la médecine. Le minimum, c'est 7 ans. Toi qui n'as même pas fait sept mois de formation, comment voudras-tu te comparer avec quelqu'un qui a fait sept ans de conservatoire Est-ce Adam Yakuba, revenons en <laughs> arrière. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller vers la musique, à vous intéresser à la musique mais est-ce que, quelque chose m'a motivé parce que c'est que j'ai répondu beaucoup dans mes conférences. Est-ce que je ne suis pas né artiste? Ah, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire, c'est l'expression de mon destin. Donc, euh, c'est comme on le dit en philosophie, ce qui est inné et ce qui est acquis. Moi, je n'ai jamais considéré que ma musique, je l'ai acquise. Je suis né artiste et je dois mourir artiste. <laughs> Vous voyez, Donc, ne pensez pas qu'il y a une force occulte ou une force surnaturelle qui m'a poussé à aller vers la musique. Mais moi, j'ai toujours considéré que je suis né artiste et j'assume le destin d'être artiste. Et c'est pourquoi j'ai la lourde responsabilité d'assumer euh, euh, mon destin d'artiste et de le faire objectivement, en toute responsabilité, et surtout le faire bien. J'insiste sur les mots, le faire bien. Si je n'y connais pas quelque chose, il faut que je parte renforcer mes capacités. C'est très important. Bon, si quelqu'un pense que peut-être lui, il est venu euh, dans la musique ou dans l'art parce qu'ils trouvent que c'est un chemin facile, comme je l'ai dit, quelque part <laughs> pour certains. Mais, est-ce qu'on peut devenir riche à, travers la musique Bon, devenir riche, vous savez, c'est le débat il est très profond, mais sinon, il n'y a même pas de raison à ne pas devenir riche dans la musique. ah. ah oui, parce que quand, avec un concert, vous pouvez trouver, avec, je dis un seul concert, hein, toute votre subsistance annuelle. Un concert, si vous êtes sérieux, ça veut dire que les autres concerts, c'est pour pouvoir faire des investissements ou pour faire autre chose, ou pour faire des, êtres caritatifs. Je ne pense pas qu'un un, Nigérien moyen, un artiste qui peut trouver 500 000, 700 ou 1 million, 2 millions par concert, une seule nuit si les 2 millions là, en tout cas, sauf s'il vit un autre train de vie autrement, vous <laughs> voyez, non, ça pouvait lui, s'il planifie sa vie, ça pouvait lui suffire toute l'année. Ça veut dire que s'il trouve cinq concerts sérieux dans l'année, imaginez donc, il n'y a pas de raison pour que la musique ne vienne. Je suis trop sérieux et, très rigoureux par rapport à ça. Merci à tous. On a servi une courte pause. Ayama Aboubakar Yakubu Mega. Selon beaucoup d'acteurs du domaine de la musique, la 11e édition du prix d'Angourou a été une euh, parfaite euh, réussite. Euh, comment améliorer davantage ben, si vous êtes, elle a été une parfaite euh, réussite. C'est comme si on a bouclé. Il, il suffit simplement de répéter ce qui a été oui, mais, fait. Mais, mais, non, non, on, a constaté que des artistes ont relâché. Attendez, moi je vous reprends. sauf si vous êtes pressé à entendre euh, ce que vous voulez, ou bien je ne dis pas ce, que, vous voulez. Ce que nous voulons, <laughs> c'est quoi Qu'est-ce que nous voulons Non, c'est-à-dire que c'est vous-même qui avez dit que euh, de l'observation de la mhm. majorité, mhm. l'organisation a été une, réussite. Mhm. Mais mieux, vous avez dit une parfaite réussite. C'est pour ça que j'ai dit que si vous avez dit qu'elle est une parfaite réussite, donc il n'y a rien à améliorer. Ou, davantage, davantage pour les éditions futures. Donc, moi, je vais revenir. Dans tous les cas, euh, ça, euh, c'est de l'avis de tout le monde je vais vous dire que de presque mes 40 ans de service ah. au ministère de la Culture, je n'ai jamais connu un événement qui a eu une unanimité d'appréciation de réussite comme la dernière édition de du prix Et c'est l'événement où, je ne sais pas, peut-être que les réseaux sociaux ont en jouer, c'est l'événement où presque c'est heure ou minute par minute qu'on nous suit demander à ce que nous, quand on était à Tawala, une simple défaillance, nous avons des appels de Niamey de partout. Et la réussite, le lendemain, aussitôt aussi, les gens nous appellent pour dire hier c'était impeccable. Mais qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour que ça réussisse comme ça Qu'est-ce que vous avez fait c'est quoi le secret euh, pour euh, la 11e édition Il y, a, plusieurs aspects. Mhm. L'un des premiers aspects, c'est les hommes d'abord. Ah, les hommes Oui. À, commencer par le ministre À ah, par, commencer par le ministre. À commencer par l'ensemble des organisateurs qui sont investis et qui ont fait un travail en amont. On a fait des visites avec euh, le président de la NASIM avec le représentant de Tangam, euh, qui a été conduite par les responsables du ministère de la Culture. On a été à Tao, on a rencontré les responsables. Nous avons tenu des réunions ici. Chacun a donné des avis dont on a tenu compte. Je vous donne un cas. On a l'habitude d'amener des expatriés à des événements pour euh, l'organisation, par exemple, euh, des fresques amener des metteurs en scène de l'extérieur, tout ça là. Mais pour le prix d'un groupe, cette année particulièrement, on a amené un ingénieur de son qui a travaillé sur la qualité de, des prestations. Donc, on n'a pas eu de quoi, en tout cas presque pas du tout. Moi, j'ai fait quelques remarques vers la fin. Quand même, il y a eu des, moments où j'ai remarqué des, micros fermés. On a, il a fallu que les techniciens courent, euh, ouvrir ou quelque chose comme ça. Ça, c'est quelques erreurs. Mais de manière générale, ça, c'était quelque chose d'impeccable. Euh, la deuxième chose, c'est la retransmission. L'Orten a fait ce qu'elle a pu faire mais c'est une des rares fois où une télévision, ou la télévision nationale, a déployé, moi, je, peux dire que depuis Tigrit, dans le désert, hum, le FIMA, en 98, j'ai pas vu un déploiement d'une équipe de retransmission comme celle de la dernière édition du prix d'Angoulême. Ça, c'est, maintenant, la, le troisième aspect, c'est la mobilisation de la population. Vous avez remarqué que même les ressortissants de Tawa qui étaient à Niamey ont fait de la mobilisation pour aller se faire représenter et pour soutenir l'organisation. Et la population de Tawa dans son ensemble, y compris les autorités administratives et coutumières, se sont mobilisés autour de l'événement. il y a eu un engouement, je vous dis, il y a même eu du forcing pour que certaines prestations se fassent dans l'intérêt de l'organisation. Oui, mais à présent, y a il je vais vous dire une mhm. chose. Il ne faut pas que nous donnons à l'autosatisfaction. Il y a eu vraiment... Ça, c'est vrai. Mais moi, de mon avis, on peut encore aller de l'avant. Pas que ce qu'on a fait n'est pas bon, mais ce qu'on n'a pas pu faire, le faire. Le prix d'un de ma formation, pour moi, c'est un événement. Ce n'est pas que un festival de musique, c'est un événement qui devrait contribuer à l'économie régionale et nationale. Hmm. Donc, pour moi, pour que le prix d'un autour du prix d'un qu'on trouve beaucoup d'autres activités qui concourent vers l'économie. Donc, selon vous, il doit avoir des innovations en perspective Non, il va, il en avoir parce que nous venons de prix d'Angourmou et nous avons, même si ça va s'organiser chaque année, nous avons un an pour l'organiser et je crois que nous allons nous atteler, nous allons nous réunir pour eh, voir effectivement qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour que les gens, en tout cas, trouve encore plus satisfaisant que ce qu'on a fait au, prix Merci beaucoup, euh, monsieur le directeur. Omaru Issoufou, alias euh, Feno, vous venez là de dire que vous avez séjourné à Dakar dans le cadre de la lutte contre le piratage. Quelles sont les dispositions à prendre pour mieux prévenir et lutter contre le piratage des œuvres artistiques Bon, d'abord, moi, j'ai envie de rebondir sur une question que tu avais posée. Oui, rapidement nous, sommes, nous contents. là où tu demandes euh, est-ce que euh, faire la musique tu peux devenir riche ou comment tu as posé oui. Est-ce qu'on peut devenir riche dans la musique, à travers la musique Parce que moi, pour moi, en fait, ça dépend de ce que tu appelles richesse. Ah. Est-ce qu'elle est, matérielle ou euh, spirituelle ou je sais pas. cest dire pour moi, la richesse, tant que tu fais la musique, c'est vrai, tu dois subvenir à à certains besoins, mais tant que tu arrives à rendre certains heureux, tu arrives à être heureux et rendre certains heureux par rapport à ce que tu fais, c'est déjà une richesse. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, euh, par rapport à la piraterie, en fait, j'étais à Dakar pas par rapport à la piraterie, mais par rapport au, euh, à la copie privée. C'est-à-dire, il y a, euh, par rapport aux droits d'auteur, tu sais, avant, dans le temps, les gens partaient, quand on sortait des CD ou des cassettes, les gens couraient au grand marché ou vers le score pour chercher des cassettes, pour chercher des œuvres artistiques. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Je suis chez moi, Blackmailer, il sort son son, je l'ai sur mon portable. Euh, Ayama, il sort son, son film, je l'ai sur mon portable. Parce que on a le même canal de diffusion qui sont les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit WhatsApp, que ce soit, que ce soit. Et on a la même forme de conservation de ces œuvres-là qui sont les téléphones. Donc c'est par rapport à ça <clears throat> que des gens sont en train de réfléchir. C'est une réflexion qui a duré, mais c'est maintenant que c'est venu chez nous. C'est ça qu'on appelle la copie privée. Comment faire pour compenser euh, les œuvres artistiques comme les artistes ne peuvent plus vendre des œuvres de manière physique Maintenant, tout est euh, numérique, tout est digitalisé sur des plateformes, mais il y a d'autres qui ne peuvent pas être sur les plateformes-là. Donc maintenant, c'est euh, une politique comme ça que les États de l'UMOA sont en train de réfléchir, voir comment les gouvernements et les responsables des gouvernements peuvent comprendre cela et, et euh, accepter ce qu'on appelle la copie privée afin que les artistes puissent véritablement vivre ou devenir riche de leurs œuvres, comme tu l'as demandé. <laughs> Adam Yakuba, Aliax, euh, Black quelles sont vos attentes pour les éditions du prix de Grumou à venir Rapidement. Bon, rapidement, euh, disons que mes attentes, elles sont vraiment très nombreuses, mais je vais essayer d'être un peu exhaustif. Euh, moi, je crois bien que si nous voulons avoir un prix en gros, comme vous le dites, <laughs> euh, en parfaite euh, réussite, là, c'est d'abord penser à renforcer les structures. Les, structures associatives des ah, artistes. Les syndicats, les, associations. oui, oui, oui, tout, tout, tout. Parce que les acteurs sont les fruits, normalement, indépendamment de nos carrières professionnelles. Ça, c'est leur mode organisationnel. Plus les structures sont organisées, renforcer, c'est-à-dire que les fruits qui vont sortir de ces tirs vont être des fruits de qualité. Ça, c'est indéniable. L'autre aspect, moi, vraiment, je ne sais pas quelle est la disposition d'esprit. Ça, c'est une analyse sociologique qui fait qu'au Niger, ce que j'ai remarqué, on refuse de voir les choses en grand. Vous voyez, euh, euh, j'ai fait un petit calcul des différents prix. Les premiers prix, d'abord, les plus grands euh, de, de, l'orchestre, ça fait 3 millions. Et le règlement intérieur, je l'ai lu, ça fait 8 personnes. Vous faites 3 millions divisé par 8, ça vous donne combien Ça vous donne 375 000 francs. C'est peu selon vous Non, J'y arrive, j'y arrive. Plus les matériels, je maintiens juste au, prix. Moi, ça ne fait pas le cachet de mon, de mon orchestre quand j'ai quand je joue en live. Ça veut dire qu'il faut accepter. Parce que les artistes, il y a un double rôle. L'artiste a un double rôle. Le fait de, promouvoir sa profession et le fait de promouvoir une culture. Donc, le simple fait de, ce double rôle-là, il doit être un acteur primordial dans toutes les politiques. Vous voyez, non moi, j'ai participé à toutes les politiques culturelles. Et ça, c'est des réflexions. Et l'autre part, eh, au-delà du prix, euh, après les prix d'Angourmou. Vous voyez, aujourd'hui, si vous approchez tous les lauréats, je crois bien qu'ils sont déjà tombés dans une autre situation. Or, il faut les accompagner et les encadrer. Ça veut dire qu'accepter de créer des champions, je crois si on ne peut pas les faire à travers nos circuits, à partir du, du prix d'Angourmou, les lauréats, faisons en sorte qu'ils ne tombent pas dans leur situation antérieure. Vous voyez ce que je veux dire mhm. Ça veut dire que de ce fait, on les encadre, on les accompagne et ils deviennent des modèles. C'est important. Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ayama Aboubakar Yakuba Maïga, chef de division festival et événements culturels au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Umaru Issoufou alias Feno, président de l'association des artistes, compositeurs et interprètes de métiers de musique Anasima et l'artiste Adamou Yakuba alias Black secrétaire général du syndicat national des métiers de musique dénommé Tangam. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Issa Lawali et à la réalisation Mustapha Ayuba. Merci, au revoir.